Ce qualificatif de zone rouge, dénié de tout fondement, isole le Niger du reste de la communauté internationale, tourne son image, mais a également un impact négatif sur la jouissance et l'effectivité des droits humains, notamment le droit d'aller et venir, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de solidarité etc. Par la même occasion, la Commission nationale des droits humains rappelle au gouvernement français, tout comme les pays en développement, les grandes nations ne sont également pas épargnées par le terrorisme comme l'enseigne l'histoire récente. C'est pour toutes ces raisons et d'autres encore que la Commission nationale des droits humains CNDH recommande au gouvernement d'exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Le cas échéant, le gouvernement doit user de tous les moyens légaux afin d'obtenir réparation.